électoral à venir, le PIT a estimé devoir rendre compte au de son choix souverain. Ce choix-là, c'est un choix qui consiste à investir le président Macky Sall, président de la coalition Benoît candidat du Parti travail à l'échéance de juillet Ce choix se justifie par plusieurs raisons. Il s'agit d'abord d'exigences de cohérence, mais au-delà de l'exigence de cohérence, il s'agit d'une évaluation circonstanciée des réalisations et des avancées faites depuis 2012. Mais il y a également la prise en compte d'enjeux nouveaux, enjeux forts, enjeux lourds, enjeux complexes qui font que le pays a besoin de stabilité, de cohésion, d'unité. Et l'homme qui s'incarne comme le mieux placé pour évidemment nous faire faire ces avancées en ce moment-là, c'est le candidat de Benoît Bokuyaka. Le PIT apporte sa capacité d'analyse, le PIT apporte la détermination de ses militants, le PIT apporte le gage qui est le sien et euh, le gage qui consiste à montrer et à dire à tous les compatriotes que de tout le temps, le PIT a été un parti de lutte pour la justice sociale, pour l'équité, pour les libertés, n'ayant pas renoncé, le camp dans lequel nous sommes peut évidemment dire qu'il a un élément de certification important. Euh, pourquoi vous attendez juste après six mois des élections présidentielles pour que vous fassiez euh, des sorties Nous n'avons pas attendu six mois des élections pour faire des sorties. C'est que nous pensons simplement qu'il faut parler utile, il faut parler juste. Nous agissons, nous œuvrons, nous sommes au cœur de la société et c'est notre liberté d'organiser en fait euh, notre communication quand nous, nous en jugeons de l'opportunité. Quel est le nombre, de, voix que le parti contre hein, euh, Cette question ci si elle se traduit comme étant en fait euh, une sorte de prise de date pour dire qu'ayant récolté tant de signatures, je me prévaux en fait d'une telle carrure et je puis réclamer à justice ceci ou cela, ce n'est pas la philosophie du PIT. Nous voulons, avec les camarades de Benobo Kéakar, entrer dans les concessions entrer dans les foyers, discuter avec nos compatriotes, recueillir le maximum d'adhésions. Nous n'avons pas en fait une ambition de nous singulariser du tout. Nous ne pensons pas que ça soit la meilleure formule. Est-ce que être dans une coalition pour le PIT ne signifie pas en d'autres termes oublier sa mission qui est de massifier euh, son parti En réalité, la notion de massification est quelque part effrayante puisque les discussions que nous avons avec certains de nos compatriotes nous montrent que dans les quartiers, dans les villes et villages maintenant, on a un personnel dédié à aller accompagner ceux qui le veulent dans leurs manifestations pour grossir les rangs. Si c'est ça la massification, nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons, c'est des militants convaincus. Ce que nous voulons, c'est des hommes et des femmes exemplaires. Ce que nous voulons, c'est des hommes engagés ce que nous voulons, c'est des gens qui peuvent participer à l'analyse et à la réflexion. Et mon Dieu, nous sommes plutôt satisfaits de l'état de nos troupes, mais nous voulons évidemment que ces troupes euh, grossissent. Mais nous ne le voulons pas à la manière de ce que nous avons vu et qui est plutôt contre. Si si certains domaines sont paralysés, la santé, la justice et l'éducation, c'est du travail qu'elle a ah, Je crois qu'il faut également que nous parlions juste, alors que l'école n'a pas encore démarré, dire que l'école est paralysée, nous pose problème que la santé également est paralysée, cela grosse problème. Maintenant, admettre ou reconnaître qu'il y a ça et là quelques turbulences, c'est vrai. Euh, nous nous employons évidemment à discuter avec euh, les acteurs sociaux les meilleures solutions. Nous n'avons pas l'illusion que la vie va s'arrêter et que Au contraire, elles sont pour le progrès social. waaw waaw. waaw xam nga parti de l'indépendance du travail dafa dajale comité central am dimanche bi ñu weesu ba tax na jàpp fa loo xam ne lu am solo la ñu ne loolu am solo yaatu na waxtaan bi ak kese bi waa réew mi pour jotali ko waa réew mi li ñu jàpp gannaaw bu ñu càmbaree nekk réew mi. li ñu jàpp gannaaw bu ñu seetloo li ñu jot a defal leen en tant que régime bu Benno Bokk Yaakaar li ñu jàpp gannaaw bu ñu seetee bu baax a baax jàmbar ñu jàpp mooy li ñu dëgmal mooy élection présidentielle bi nga xam ne BIT war na ko tànn bu gën ci gisinam mooy candidat Macky Sall loolu dañu ko gisal. lan moo tax ñu tànn Macky Sall li tax ñu tànn ko lu xóot la lu bari la Euh, dañu jël gannaaw bi xam ne nekk nekk nañ ko moom ci at yi yëpp weesu muy juróom ñaari at dañ ko daan am ngir ñu defandoo moom ci réew mi gis ko teg xam ne na mooy jéego yi nga xam ne tar na ko réew mi gis jéego yooyu mooy lan mooy fexe ba réew mi bañ a nekk rek Dakar fexe ba ndox mu seet fexe ba courant fexe ba yoon yoo xam ne sañ mu am waxuma si Dakar mu ngi des ay ay loolu nag ñun ñëpp sax nekk nan ngeen ko gis ñu gunge bi mooy joxe li nga xam ne mën nañu ko mooy suñu engagement suñu capacité de persuasion te loolu tàmbali nañ ko incha allah ci teg ci ci ak la ak la yan stratégie ngeen waaw en règle générale nag stratégie bi divulguer sur la place publique mais amul benn stratégie boobu li wóor mooy ñun ñu ñëw dañuy ñëw jàppaan leen di nuyu duñ ñëw di joxe ay xaalis waaye dinañ jóg ci kër yi wane li ñuy def te leen ne li ñuy xaar moo tax def ñu ko waxee ñu def ñu gis ne pays tey ñu parti bu yaakaar boo xamante ni foofu tey dégg ci la nationalité ginnaaw bi dafa taxaw sa dem ngeen génn génn lan moo

léegi léeg réew mi jaxasoo dana am yoo xam ne am nañ ñàkk ci biir liggéeykat yooyu ñu leen jàpp ne en tout cas xam ne ay jàpp naa ne tam ñi ngeen xam ne dañu nekk ci paj boo jëlee vaccin yi avancé nañu ak bu a li ci am na ñoo xam ne ñu yëngatu li ñuy wax mooy affaire payoor yi payoor yi nag nekk na glis nekk na loo xam ne soxla na na loo xam ne lu ñu mën ci génn il faut ñu nangu engagé une réflexion profonde et collective te loolu temps la jël maanaam ku ne nag léw boole nga man ko tànn nga la dina moom loo gis rek